Riche en culture, la région d'Ottawa au fil des années perd ses valeurs traditionnelles, notamment vestimentaires car délaissées par les jeunes. Pour faire renaître les valeurs culturelles de la région et redorer le blason des tenues traditionnelles, L'association des tailleurs de Tawa a initié une nuit dénommée Nuit de la tenue traditionnelle de l'ADER, explique Yacoub Elias, président des tailleurs. On a pensé créer cette euh, initiative pour pouvoir quand même grâce à cette association permettre aux jeunes tailleurs d'être détectés par leur talent euh, et s'émerger à leur tour. Et nous avons pensé en réalité renommer cette nuit Nuit de la tenue traditionnelle de l'ADER parce qu'on a comme objectif euh, promouvoir les valeurs culturelles culturelle à travers la couture. Les femmes de Tawa se sont impliquées également et plus que jamais engagées pour la réussite de l'événement parce que les femmes et les tailleurs se complètent, a expliqué Hajia Madania Abarchi, chef de division à la direction régionale de la promotion de la femme. Comme on a l'habitude de le dire, mieux vaut tard que jamais. Ils auraient dû penser à cette euh, organisation depuis longtemps. Ils ont vraiment de l'ambition. Ils sont à encourager. Ils ont bien fait de penser à nous les femmes parce que les tailleurs et les femmes, nous nous complétons. Nous nous habillons grâce aux tailleurs. Quelle que soit la beauté de ton pagne, si tu n'as pas une jolie couture, donc euh, ça ne reflète pas la beauté du pagne. Et quelle que soit notre volonté de nous habiller, si les tailleurs ne sont pas là, donc euh, on serait toujours euh, mal habillé. Pour faire revivre la culture nigérienne, notamment celle de l'ADER, les étudiants ont aussi apporté leur contribution comme modèle pour les défilés dédiés aux tenues traditionnelles de la région. Selon Soumana ambassadeur secrétaire général de l'Union des étudiants de l'Université de la jeunesse actuelle se doit de ressusciter les valeurs traditionnelles d'antan. Cette initiative tombe à sa juste valeur dans la mesure où nous sommes dans une situation où les valeurs traditionnelles, les valeurs ancestrales sont en train d'être mises aux oubliettes par la jeunesse actuelle. Et on a besoin de ces valeurs-là pour ressusciter nos traditions, pour démontrer que nous disposons des valeurs. Nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de travailler pour que nos valeurs traditionnelles puissent être ressuscitées, comprises de tous tout le monde. Comme l'a témoigné le défilé d'hier soir, désormais c'est la soirée du 31 décembre, réveillant du nouvel an, qui sera retenu pour que chaque année soit célébrée la fête de la tenue traditionnelle de l'ADER. Abdullah de depuis Tawa, pour le studio Kalangou.